Euh, c'est un problème qui est récurrent. Euh, depuis plusieurs années, malgré les efforts consentis pour euh, améliorer la qualité de la voirie, ce problème demeure toujours. En tant que conducteur, le principal problème auquel nous faisons face, c'est le problème d'ordre mécanique avec la, suspension des véhicules qui, qui, qui, prend un coup. nous nous retrouvons à, à changer la suspension, soit les amortisseurs, le ressorts, les rotules, j'en passe. Pendant cette saison pluvieuse, euh, si vous faites un tour chez <laughs> les, les, mécanos qui s'occupent de la suspension, c'est sûr que vous, ils vont vous dire que leur chiffre d'affaires grimpe pendant cette saison pluvieuse plus que euh, euh, pendant tous les autres mois de l'année. La, de, de chez moi ici, j'ai fait quelques contours mais je ne dirais pas que j'ai galéré. Euh, parce que bon, ça, c'est <laughs> lié à, la, à la praticabilité euh, des voies. Mais je ne dirais pas que j'ai galéré. Non, ce n'est pas la même chose. En saison, c'est. Euh, il y a moins de contraintes. Et en saison d'hivernage, partout, tu as l'eau, souvent même là, où tu es habitué à passer, quand tu as la, voie voix est bloquée, bon, ça, il faut, il faut, il faut peut-être... Euh, il faut, il faut être un peu prudent. Quoi. C'est tout. <laughs> C'est, tout Mais ça ne me dérange pas, il faut beau temps. Quel qu'en soit la pluie fait toujours du bien. L'eau est toujours utile. Donc quand je dirais que je suis dérangé, ça veut dire que je n'aime pas qu'il pleuve.